yi dañoo ñëwoon fii ci commune Wakam pour di lancer liggéey boo xam ne bii dafa bokk ci liggéey yu mag yi nga xam ne moom la président Macky Sall sumb pour am ci Sénégal ndox mu doy ndox mu sell rawatina fii ci Ndakaaru nga xam ne tey jii suñuy xayma ndox mi ñuy yóbbu ci réew taax yi téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk yi pour ndakaaru la ndax limu doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp xam nañ ne ndoxu ndakaaru bi mi ngi jógee ci ay forage yoo xam ne yi ñu ngi koy bënn ci biir région de Louga région de Thiès ak région de Dakar li ci des ci ndox mi ñu koy jëlee fële ci lac de guerre muy jóge donc ci ñaar téeméeri kilomètres ak juróom fukk loolu ku nekk xam na ne mën na indi ay tolof tolof te gis nañ ko fii su fekkee ni usine lac de guerre am na paan wala forage yi am na paan looloo tax président Macky Sall ni nga ko defee ci mburum courant ne lépp rek. lootul jógee ci centrale yi ñuy def fii nii waaye day jóge tamit ci courant bu ñuy jógee jëlee ci naaj bi mu ne am na fu ñuy jëlee ndox foo xam ne fii masuñu ko jéem ci suñu réew mooy jël ndoxu géej togg ko mu nekk ndox bu ñu mën a naan ndox bu ñu mën a jëfandikoo boobu la jël dogal ne danañu def usine mu dessalement mooy usine buy togg ndoxu géej bi dindi xorom si nekk ba nga xam ne dana mel ni ndox mi ñuy jëlee Lac de Guiers ak bi ñuy ci forage loolu nag nekk guléet ci suñu réew loolu tamit méngoo ak liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def te mu tuddee ko liggéeyal ëllëg ndax projet bi dara gënu ko mandargaal liggéeyal ëllëg maanaam sàmm ndox mi nga xam ne moo nekk ci suuf si sàmm ndoxu Lac de ba nga xam ne ëllëg foofu su amee jafe-jafe nit ñi dañu mën a sukkandiku ci ndox bii nga xam ne soriwul Dakar ñu koy jëlee ndox moo xam ne dañ koy togg ci ndoxu géej projet bi nag pour liggéey ko dañ coo lëkkaloo ak gouvernement Japon nga xam ne ñoom bor bi nga xam ne ñoom moom lañ defee projet bi ñoom ñoo ko lebal gouvernement du Sénégal mu nekk téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñaar mu nekk nag ay pàcc yu bari tey ji pàcc bi nga xam ne moom la ñuy tàmbali liggéey bi mooy ñaareelu pàcc bi nga xam ne mooy benn canal benn tuyau bu mag boo xam ne bii presque ful na ñaari yoon tuyau bi fi nekkoon nekkoon tuyau 400 tey ñu def ko tuyau 700 mu jóge fii di dem ba ci booru plan de l'émergence tuyau boobu dana may ay communes yu mel ni ay Almadies

kon boo ñu xam ne ñaareelu pàcc bi moom la ñuy def tey pàcc bu njëkk bi mooy usine de dessalement bi moo ci ëpp solo sax waaye pàcc boobu Sénégal bëgg ci liggéey bu leer bu mu bëgg bi mu gisee ne bi ñu demee ci cëppaandaw gi njëg bi nga xam ne dañu amoon dafa amoon dafa dafa ëppoon lu bari njëg bi ñu prévoiroon projet bi mu ne pour bëgg lu leer pour bëgg lu yaxanal pour économie Sénégal kon bok dañu lancé waat appel d'offre lolo tax pàcc bobu am touti retard par rapport ak projet bi ni waye yeneen yi mooy ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn kilomètre ci ay réseau yu ñuy def biir Dakar pour que ëllëg ndox mi su ñëwee mën a yegg ci quartier yépp ba pare boole ci trente mille branchements sociaux yooyu tamit avancé nañ ci bu baax a baax a baax moo tax may ñaax SONES ak gouvernement Japon ak seen techniciens yi ñu tu étudier projet yooyu pour mu yegg def na yëpp tamit pour que li mu laal yëpp ci waxtaan ak ñi nga xam ne mooy maire yi mooy association jeunes yi mooy euh, collectivité yi ñu def waxtaan ak ñoom loolu tamit ci biir exécution projet bi ñu ngi ñaax ñëpp ñu continuer def waxtaan boobu ndaxte projet bi li ci jublu rek mooy yokk ndox moo xam ne bii ndox mu sell la fii Dakar di Bonjour, assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le directeur général de la SONES, e Monsieur le maire de Wakam, Madame la première adjointe au représentant résident de la JICA, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur de participer au nom du gouvernement du Japon à la cérémonie de lancement des travaux de lot 2 du projet de construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer dans la zone des Mamelles à Dakar. Il s'agit des travaux de fourniture et de pose d'une nouvelle conduite principale de distribution entre les réservoirs des mamelles et les ponts de l'émergence. C'est une composante du projet de construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer d'un coût de 137 milliards de francs CFA financé par un prêt concessionnel du gouvernement du Japon à la suite d'un accord de prêt signé en 2016 à Dakar. Ce projet de grande envergure, initié pour régler de manière structurelle les problèmes d'approvisionnement en eau de Dakar, vient enrichir la liste des réalisations de la coopération japonaise dans le secteur de l'eau au Sénégal. En effet, près de 90 milliards de francs CFA ont été accordés au Sénégal des années 70 à nos jours. Cette enveloppe a permis la réalisation de 15 projets dans en milieu rural que dans les centres urbains. Pour hydraulique rurale en particulier, le dernier projet a porté sur la purification de l'eau grâce à une technologie conçue par le groupe japonais Yamaha. Au-delà des financements, l'un des objectifs globaux de la coopération japonaise est de contribuer au renforcement des ressources humaines et l'appropriation des technologies. Ces projets ont permis un transfert de technologie japonaise et de compétences des experts japonais au profit de leurs homologues sénégalais. Le gouvernement du Japon souhaite que cette riche expérience se poursuive et se renforce avec ce projet de dessalement de l'eau de mer. L'accès à une eau de qualité en quantité suffisante pour le plus grand nombre de la population, et un des piliers de la sécurité humaine et d'une société résiliente aspirant à l'émergence. Voilà pourquoi ce secteur fait l'objet d'une attention particulière dans la coopération entre le Japon et le Sénégal. Il est aussi pris en compte dans le plan d'action de Yokohama Adopté à l'issue de la septième édition de la conférence de Tokyo pour le développement africain qui s'est tenue au Japon l'année passée. Également, dans le plan Sénégal émergent qui est entré dans sa seconde phase en 2019. C'est en effet un grand défi au regard de la modernisation de la ville de Dakar et de son extension remarquable vers le nouveau pôle urbain de Chemlancho. Je voudrais saisir cette euh, heureuse occasion pour inviter toutes les parties prenantes à maintenir le cap pour l'achèvement de cette importante infrastructure dans les meilleurs délais au bénéfice des populations. Excellence, Monsieur le ministre, Distingués invités, mesdames et messieurs, je me réjouis de ce que ce projet, porteur d'espoir et de progrès, entre aujourd'hui dans sa phase active, au moment où nous célébrons, hein, en cette année 2020, plus précisément le 4 octobre 2020, le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Japon, et le 40e anniversaire de l'envoi des volontaires japonais au Sénégal. Mais aussi, à quelques mois du 9e Forum mondial sur l'eau, prévu à Dakar en 2021. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui traduit les liens solides d'amitié et de solidarité tissés entre les peuples sénégalais et japonais tout au long de ces années d'échange et de partage. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Je souhaite que ce projet, source de vie, siffle un nouvel élan à cette belle amitié. Je vous remercie à votre aimable attention. Euh,